donc pour que ñu d'appeler jigéen nous d'appeler jeunesse nous d'appeler donc sur les financements on peut beaucoup faire et accompagner aussi les élus donc pour le je pense qu'il est important voir la politique suite. j'avoue que j'ai été très déçu par le département lors de législative parce que je ne pouvais pas imaginer une perte à C'est comme si c'était une surprise alors que tout cela découlait de comportements de d'où on n'a pas fait ceci, on se regroupe, hein, on, fait sanctionner un tel responsable, alors que tout le monde est sanctionné. Dans une situation, nous avons une am majorité di kalli kalli ci kaw nit ñi il faut régler ça. là, vous n'êtes même pas à l'Assemblée nationale. À cause de jeux qui ne sont pas des jeux normaux. Comment vous pouvez avoir 14 maires sur 15 et vous perdez Il faut vous interroger. Alors maintenant, les politique yi le développement économique social des populations le terroir terroir faut une posture politique posture bi Moi, d'abord il faut que chacun retourne chez lui ku nekk dellu déjà mon vis-à-vis de ses propres mandants ses populations son village sa commune ce qui n'a pas marché mu jéem de l'homme. parce que c'est un travail qu'il faut faire au plan politique après, le cadre que vous avez, ensemble, on vous accompagnera. Vous les démarches et les tournées. Et vous vous donnez la main, tous. Je le dis à Suleiman, je le dis à le Président du Conseil départemental, beaucoup, et au maire de la commune de Goudon, si ainsi qu'à à Fossard et à tout le monde. Il faut que nous nous di leader kan leader il faut vous donner la main travailler ensemble si vous voulez que les problèmes que vous posez trouvent des solutions Lolo, c'est la seule démarche qu'il faut faire c'est la seule démarche je salue par conséquent orateur yi fi jël cadeau si tour, Nous ñu cité leen mais au-delà de ñom parce que souvent en politique dañuy fàtte ne bu militant amul leader du hmm, ah oui ah oui. militant amul leader du le leader moom la mais boo amul ay militant doo nekk leader gagné ah, waaw maire doo nekk député hmm. parce que le pouvoir politique c'est d'abord le pouvoir de l'élection le il dérive de l'élection Il faut le président mu faut ay gouvernement faut ay DG et cetera le député mu jox la majorité Il faut may le gouvernement mën a liggéey fal ay maire nous sommes liggéey au niveau de la gouvernance locale donc le pouvoir il est bâti sur la confiance des populations quelqu'un qui ne le comprend pas il n'a rien compris en politique légitimité bi foofu la te loolu Bonne confiance dans la say du di jox ne comme on dit faut pas les mépriser parce que c'est à travers leur sueur et leur confiance que nous nous sommes là que moi je suis président de la République. Ah si je suis reçu à Washington, à Paris, ouais, c'est parce que je suis le président du Sénégal. Et si je le dis, c'est parce que ce sont les populations du Sénégal qui m'ont fait confiance, qui m'ont élu. Qu'on n'ait respecté à la base c'est ça qui garde le contrat de confiance entre le sommet et la base si, les gens du sommet pensent que voilà tout est bon on est dans nos bureaux nos voitures mais si au jour de l'élection vous n'avez pas ceux qui sont à la base, vous êtes dégommés vous-même. Lolo, je me le dis moi-même d'abord, premier chef, je le dis à mon premier ministre, à tous mes ministres ici présents, au DG, au maire à tout le monde. Lolo, moi, ils sont là-bas au fond, on ne les voit pas. Donc, nous jeune pas les nous un militant de base, sans lequel nous ne sommes rien du tout. Extrêmement important ce que je vous dis. Donc ça nous ramène à la question de l'humilité en politique. Humilité, moi, nous, comme on dit, on dit, on dit, ce bon. Soufflez, suufeel bon. bopp suufeel ce bon, boo suufeelee sa bopp yàlla yow boo yëkkatee to bopp bi coow la nga daan.